Accès au financement. Malgré les dispositifs de financement, des initiatives économiques des femmes mises en place par l'État avec les projets, programmes et partenaires cités plus haut, l'accès aux capitaux demeure le talon d'Achille à l'origine de l'exclusion des femmes dans les systèmes bancaires classiques et leur surexploitation par les institutions financières décentralisées. L'accès au crédit demeure toujours plombé par des taux d'intérêt élevés. L'absence de formation avant la mise à disposition des fonds, le détournement d'objectifs, le gaspillage dans les cérémonies familiales, la faiblesse des montants des crédits et les exigences de garantie et l'insuffisance des capacités d'action des structures d'appui conseil. Une faible implication des femmes dans la gouvernance et la gestion des SFD qui leur permettrait d'accéder probablement à de meilleurs euh, ministre de la femme day euh, ministre qui représente les les femmes nous sommes au cœur du développement ku nous du au la une femme très battante une femme dynamique pleine d'abnégation patriotique Nous sommes

la femme et l'homme nous sommes les compléments des hommes quand te nous ñu nous rek ñu dem jàppale bu wóor financement yi ci de l'émergence Machallah, macha allah la mais vraiment on a fait presque huit mois de travail transformation céréalière d'artisanat on a fait quatre foires la FIDAC la FICA la SICAT les femmes leaders. maintenant ce qu'on incarne c'est le leadership féminin on est des leaders toujours mais on est fiers de notre ministre de la femme parce que cette ministre. Il n'y a pas de politique. Il a tout fait pour toutes les femmes, mais pas un parti politique ni opposition. Donc on salue le ministre la Femme, on lui souhaite bon vent. Vraiment, on, remercie le président Macky Sall vraiment de savoir son choix le la Femme. Toutes les femmes de Louga, présence, à ma présence, remercie tout le monde, en particulier le ministre la Femme, qui nous a invités ici en tant que femme leader. Ah, il vient euh, des financements à Louga. Maintenant, on, est, ah, on les financements parce qu'on produit réel local on fait du développement. Donc on attend les enveloppes pour nous, appuyer pour le, pour le développement. Parce que vraiment les femmes ont besoin d'appui. Ils ont besoin d'appui. Ils ont besoin d'appui. Les violences faites aux femmes, on veut qu'on ça définitivement au Sénégal. C'est ça notre slogan.